Salut les amis de eSport TV, merci encore Gaël de la conférence renouvelée, merci également de continuer à liker, également de continuer à vous abonner. Gaël les Lions du Sénégal ont repris leur séance d'entraînement. Donc ce qu'on a remarqué dans cette séance d'entraînement, c'est qu'aujourd'hui déjà, premier point positif, moi comme vous le savez, hein, il y a 0 cas positif Wallum Covid 19 les Lions mobilisés hein, pour Wadel match bi huitième de finale contre le Cap-Vert Sénégal donc 27 joueurs se sont entraînés au total euh, à part bien entendu qui de Ismaël Sarr mi nekk ca Barcelone de def rééducation te semaine prochaine mais à part lui tout le monde s'est entraîné hein. Abdoulaye Seck mi blessé rejoint rejoindre groupe bi ki nga xam ne euh, Bouna mi ressentir quelques douleurs rejoindre groupe bi Machallah, allah itamit par Pape Matar Sarr il s'est bien entraîné aujourd'hui donc les Lions qui sont aussi se sont remobilisés ah xam nañ instant yi nii un tournoi a commencé door mu donc tout le monde était là le sourire aux lèvres bien entendu dans une ambiance conviviale à c'est d'abord séance de prière séance de waxtaan bi nga xam ne da koy am discussion bi am chaque fois ak li nga xam moom mooy joueurs yi nous commençons commencé ak yenn course et tout après Aliou a divisé son équipe ah a partagé son équipe en plusieurs groupes Nous def yenn nga xam euh, échauffement et tout mais après aussi am na yenn joueurs yu sol yenn chasuble xëy na peut-être yooyu joueur ñoom ñoo war a démarrer match bi nga xam ne am contre Cap-Vert à exception près donc gis a également Pape Alassane Gueye ci le et il y a de fortes également qui nga xam Moy Qui dit, donc euh, Famara Diédhiou bokk ci li nga xam Moy 11 de départ bu Aliou donc Aliou également wax na conférence de presse moom ak Koulibaly et au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui je pense que donc euh, message bu fort là message bu fort là par rapport à li nga xamné mom moy jëm ci huitième de finale le Sénégal devra montrer un autre visage Sénégal war na ci tank équipe bi nga chaque fois premier tour duñ def résultat yu bax mais deuxième tour dañu wone un bop kan moom dafa melni non parce que Cameroun qui euh, di Côte d'Ivoire le ko fi dalone mu ñew ak ñom Tunisie éliminé ñu éliminer deuxième tour gis ngeen Tunisie premier tour bi il est passé à côté ñew woné boppam tay devant le Nigeria et on espère que ce sera également la même chose pour euh, Iki di Sadio Mané bonne nouvelle pas hein, Pape Matar Sar comme vous le voyez sur ces images il s'est entraîné aujourd'hui les lions du Sénégal ont travaillé donc les tirs à mi-distance donc ont travaillé sénégal tir à mi-distance devant les buts Connect Yang tir à mi-distance et tout rencontre bi je pense que ne ay atu yu mel ne Pape ak ki nga xam aussi moy Idrissa Gana Gueye nañ parce que aussi en matière de coup franc ñaar bok si lima gissagum ils sont très bons euh, dans les coups francs donc surtout longue distance yi kii di Pape Matar il a une très bonne frappe et il sait bien entendu viser ki nga xam aussi moy Idrissa Gana il prend de la confiance mom moy tire, attitré jamono ji coup franc ci équipe nationale du Sénégal ñom mam Baba Thiam l'attaque sénégalaise les milieux de terrain tout le monde s'est donné au tir mi distance gis ngeen ko fini ki nga xam mom moy euh, Keita Baldé Diaw également Ahmadou Bamba Dieng ñoom ils se sont donnés aujourd'hui sur ces tirs à longue et à mi-distance pour la nga coupe d'Afrique 8 huitième de finale face au requin bleu du Cap-Vert les Lions du Sénégal je pense qu'aujourd'hui on war nous des sax li nga xam performance yi ñu a ci premier tour parce que y compéti une compétition a commencé niveau là. donc aujourd'hui on doonul deux la dañu a am mentalité de gagneur mentalité de soldat de guerrier def li nga xam ne le la Sénégalais yi def parce qu'aujourd'hui également à travers les élections en parenthèses il y a un changement également les mentalités ont évolué gars ils sont déterminés ils ont également envie de faire changer et de faire évoluer les choses le Sénégal jamono disais également faire évoluer son statut de leader nek nak champion d'Afrique pour la première fois de l'histoire du Sénégal ñu am sax ñi nga titre champion d'Afrique. les gardiens également ils se sont travaillé ils ont travaillé également hein, ci nga xam au but également euh, balle arrêtée entre autres hein, mais aussi tir longue distance mi distance travail au sol ak ni koy entraîneur des gardiens bien entendu vous le savez Tony Mario Silva l'ancien gardien de la génération de 2002 donc euh, Tony Mario Silva également gis ngeen ko Seyni donc Alfred Gomis Edouard Mendy euh, voilà tous les gardiens ils se sont euh, entraînés hein, par rapport à li nga Alim Badara Fati aussi hein, par rapport à li nga qui, ne moom huitième de finale on espère que le Sénégal dina ci dina image xar et on a confiance man je pense que ne ambiance bi ñu gis tey ak gisee ñuy kaf di ree et tout c' est de bon augure ça montre que ne gars yi instant yi fàtte nañ la rek xam nañ ne jamono ji ñoom lépp ci ñoom la des et on espère que incha allahu rabi au soir du 25 janvier 2022 Sénégal dinañ ne moo gagné ki nga xam ne moom mooy. Kaver joué quart de finale rabi muy Mali wala bok muy Guinée équatoriale yalla defal ñu aussi ndam inchallah dem ba et je pense que cette année doit être une année de changement une année de transition pour l'équipe nationale du Sénégal et on l'espère. Joyeux anniversaire également à notre milieu de terrain le gaucher magique du Sénégal également de l'Olympique de Marseille Pape Alassane Gueye qui fête aujourd'hui ses 23 ans Moi, mi nga xam match bi il est pressenti pour jouer tête on se le souhaite joyeux anniversaire et anniversaire bien Sénégal Gaï, quant à vous woy lend di like woy lend di abonné toujours un plaisir de vous servir Dia ngeen